bienvenue dans notre émission tous à la fada nous allons parler de l'importance de maîtriser plusieurs langues pour accéder au monde de l'emploi. En un mot, les langues, nouvelles exigences pour accéder au monde de l'emploi. Dans le rapport sur la langue française et employabilité publié sur le site de l'OIF en 2018, on peut lire que 88% des entreprises demandent la maîtrise d'au moins une langue étrangère et la langue la plus demandée, c'est principalement l'anglais dans 64% des cas et le français dans que 36% du cas. Et c'est le cas ici aussi au Niger où par exemple ces derniers temps sur plusieurs offres d'emploi on exige de parler couramment l'anglais malgré le statut francophone du pays. Donc pourquoi exiger plusieurs langues dans les demandes d'emploi Quels sont les avantages pour une entreprise d'exiger que ses employés maîtrisent plusieurs langues C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans notre émission. Ce sont des échanges de la musique et des chroniques, le tout en 35 minutes. Amis de la FADA, aujourd'hui nous sommes installés à l'African Development University, à à en FADA TAM. les langues nouvelles exigences pour accéder au monde de l'emploi. je vous laisse, chacun va se présenter. Euh, je m'appelle Melile Nela Soreya, j'ai 17 ans et je suis en première année en gestion à EDU. Bienvenue dans notre FADA Soreya. Je m'appelle Salama j'ai fait mon première année à EDU et j'ai fait le droit. Euh, je m'appelle Amira Oumarou, je suis étudiante en droit. Je me présente Fatma al je suis en première année en droit. Donc on va commencer avec nos questions, mais avant on va d'abord écouter des témoignages des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui partagent avec nous leur expérience et vécu sur notre sujet. On les écoute. Moi je suis en master. tous les enseignants, c'est juste un exemple que je prends, nous ont toujours conseillé de faire tout pour, nest avoir une maîtrise de la langue anglaise. Et aujourd'hui, sur les plans d'emploi, ça se constate, c'est une réalité. Si vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, eh bien, vous serez obligé d'abandonner beaucoup d'offres. Parce que assez souvent, les offres, dans les offres, on exige au moins la maîtrise de la langue anglaise. Pour problème. ingay ma wana gisi goy problem. Wana wana china do hara. aske da bayan kulu igani a daman tibura ga wani angale kina ingani ga exige to lalle angale wo languno kan irkul ga bai kan languno kan in kundi siwana na ne koy kai fo din siwana ni sinwa fa shinuwa mo goka in kuna shinuwa aga to nan kan inganda angale kul afu aga to nan ka hanni siwani shinuwa mo wani dugwai. in san mu irin wana

de la langue anglaise pour être recruté dans une entreprise ou bien dans un service public a gani na abu ne mai wuya a cikin kasan mu a ce idan baka iya kaman harshe na turanci ba ko na shinuwanci ko na faransanci ba a ce gaskiya ba za a ɗauke ka aiki ba ba bai kamata ya zama kaman fa'ida kaman wani abu kamar ginshiki ba na samun aiki me yana da kyau a iya su Donc Soraya, je, veux commencer avec toi. Toi, ton avis, pourquoi s'intéresser à l'apprentissage de plusieurs langues en tant que jeune qui sera bientôt sur le marché de l'emploi L'apprentissage d'une seconde langue est maintenant obligatoire. Ce n'est même plus euh, forcément une question d'intérêt. Je suis obligée d'apprendre une deuxième langue si jamais je veux. Euh, euh, dans les entreprises, il y a des meetings. Il peut y avoir plusieurs rencontres avec des clients étrangers, des partenaires étrangers. Mm. Donc je pense que le fait de parler plusieurs langues va beaucoup avantager euh, l'entreprise sur le fait qu'on pourra communiquer, avoir des, avoir des rapports et des accords, des contrats. Donc c'est surtout pour la communication, je pense que c'est très important. Alors Mounira, pourquoi s'intéresser à l'apprentissage de plusieurs langues euh, S'intéresser à l'apprentissage de plusieurs langues, je dirais que c'est très important parce que ça va nous créer plus d'opportunités euh, dans le monde du travail. Parce que nous avons beaucoup de, sociétés qui parlent d'autres langues que, le français. Donc je dirais plus euh, l'anglais. Ça va nous créer plus d'opportunités et tout. Ok, soit. À part l'anglais, est-ce que vous avez une idée de d'autres langues qui sont recherchées dans le monde de l'emploi euh, Le mandarin, peut-être. Euh, oui, je pense que c'est le mandarin qui est le plus recherché, le hausa, pour, je dirais l'anglais aussi. Mhm. Euh, c'est comme euh, Amira l'a dit, c'est une langue internationale et pour, euh, pour plus d'opportunités et de créativité, pour pouvoir plus... pour avoir plus d'ouverture dans le monde professionnel, je pense que l'anglais serait un plus à apprendre. Bonjour. Bonjour. Euh, je m'appelle Al-Mustafa Ibrahim, je suis en troisième année de Project Management. D'accord, Al-Mustafa. À votre avis, quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir un employé qui parle plusieurs langues alors, quand on prend dans le contexte d'une entreprise, c'est bien sûr des. Côté business, c'est des, des, partenariats qui sont faits et on va plus dans une optique de mondialisation. Alors, pour un employé qui ne parle qu'une seule langue, dans l'entreprise, ce ne serait pas un, un ajout considérable à l'entreprise. Mais pour quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui maîtrise plusieurs langues, il serait à mesure d'aider eh, en grande partie l'entreprise à avoir, je sais pas, plus, plusieurs partenariats. Parce, par exemple, supposons que l'entreprise a un contrat avec un client chinois ou bien américain. L'employé qui va maîtriser le mandarin ou bien l'anglais sera mis en avant pour faciliter la communication eh, pendant ces échanges-là donc ce serait très important de maîtriser plusieurs langues. Qu'est-ce à votre avis, pourquoi s'intéresser à l'apprentissage de plusieurs langues et euh, quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir des employés qui parlent plusieurs langues euh, je continuerai comme Mustafa l'a dit, on va dans un contexte de mondialisation. Les personnes, les gens sont interconnectés, que ça soit individuellement quand tu travailles dans une entreprise ou même ton entreprise avec une autre entreprise. Et c'est pas forcément toujours dans le même pays ou bien vous ne serez pas toujours dans la même localisation, localité plutôt. C'est une question de sortir et chercher des partenaires. avoir plusieurs ouvertures en fait. Oui, exactement. Et quand tu maîtrises plusieurs langues, c'est comme si ça facilite ta mobilité à progresser rapidement par rapport aux autres. On étudie presque tous la même chose, on a parfois presque tous les mêmes compétences. Donc il, faut, il te faut avoir un bonus que quelqu'un d'autre n'a pas. Et le fait que tu maîtrises plusieurs langues, c'est comme si c'est c'est en plus que d'autres ne peuvent pas avoir. Et ça fait en sorte que tu es facilement la personne avec qui on se sent obligé de travailler parce que tu communiques plus librement avec d'autres personnes, tu comprends leur culture, surtout ça. Parce que quand tu maîtrise la langue de quelqu'un, tu peux facilement le comprendre par rapport à quelqu'un d'autre qui, le, qui ne maîtrise pas sa langue. Et aussi facilement être accepté par l'autre. Exactement. Mhm. Parce qu'ils sentent que c'est comme s'il est aligné à toi, que tu seras la personne qui va le plus le comprendre, comprendre ce qu'il veut et surtout ce qu'il veut mettre en avant. Donc l'entreprise sera forcée de travailler avec toi de partir partout avec toi. Tu deviens comme leur joker qu'ils mettent mhm. sur la table pour avoir ce qu'ils veulent. Fatima, et on espère que vous serez bientôt sur le monde de l'emploi. Alors, à votre avis, quels sont les avantages, si vous pouvez ajouter à ce que Kadia vient de dire, quels sont les avantages euh, pour une entreprise d'avoir un employé polyglotte Déjà, l'anglais, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Je pense que prendre quelqu'un qui, parle l'anglais et dans une entreprise, je pense que ça va, ça va ouvrir à la personne, à la personne qui a l'entreprise des opportunités. Alors, on accueille Dondi dans notre émission avec sa rubrique L'artiste s'exprime. Hey. Ladies and gentlemen. Nous allons une fois de plus recevoir l'artiste El Grincho pour qu'on puisse parler de ses œuvres artistiques sur l'émission Tous à la El Grincho. Don la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Aïsabou ay go angane single sintin hakkan sintin dada to ngane rga ka parce qu'on est vrai non nama igene el green show de A à Z oh donc c'est de cela qu'il s'agit parlons un peu du premier single de l'artiste mon premier groupe comme je t'ai dit c'était illicite illicite aramo illicite non merci il faut aranka illicite le premier single de illicite le premier single de illicite ne m'a me dit illicite ça veut dire qu'il y a la dose il y a la dose oh mais premier titre c'est la dose ok donc dinnu sundu sundu niga bay mi haye no merci kare c'est 2 heures ma <laughs> to banda banda ay mani glala grincho no ka mc sunday malfa sunday gin Tchaka Ah, Ok. Bigidi bigidi. Bigidi bigidi. <laughs> Ça, c'était le premier single de Illicit. Ouais. C'était en 1998. Ouais. La suite. Donc euh, après, on a fait euh, sortie euh, aussi en 2003. Ok. On était toujours en groupe, uh-huh. mais cette fois-ci, ça s'appelle Zone One. Zone One. Zone One. Donc Zone One, on a fait un son qui s'appelle Pose le micro. Voilà. Donc parce que Uru c'est le clash. Hmm. Tu vois non? donc pose le micro pose le micro rano été, ne saraka fito fito ne saraka koto ne ko maka kaka bon ni barka koto ne go naga ni jine ne go naga di ay go naga kay ni charma manai moto muso muso ne ni bongo bu sando toto Oh o o o oh o o après après quand ay a été champion en 2007 2007 pour rappel au Burkina Faso au Burkina Faso lokacin din kula sun da album fa ai ah. ka kwaro okay ingana aïka garkasai okay ai garkasai niga niga niga aïka garkasai niga niga niga o kan nare wannan bai bin bodo ni tundin bon Niger man ba bai ni ko Niger representer ni champion d'Afrique ni yegi yegi ka boro ine elgiri chonam iri yeg kanin taku wasa mun ko burchina to ni yeg kar ni yeg te champion ne ka to bokul mande kodok to din za tiny tangu funu ine clash rap Est-ce que tu as un message particulier à ce qui concerne ton trophée Pour qu'on puisse, s'il le faut, toucher et réactiver et dépoussiérer. Ouais. Parce que Omar Gandal, Kasso et Statue, Imana Burkina. Donc, du coup, il faut qu'on trouve un moyen pour faire revivre ce, ton trophée parce que tu es de retour avec force et puissance. Est-ce que tu as un message à l'endroit du ministre en charge de la culture actuel as ça aussi l'artiste exprime. Ouais. En tout cas, le message que j'ai euh, pour le ministre, mhm. on parle de renaissance culturelle aujourd'hui. Mhm. Donc, quand on dit renaissance culturelle, on parle aussi de la renaissance des artistes qu'on pense disparus, mhm. mais ils sont là, des vétérans, des monuments, des dinosaures comme nous. On est là et moi, j'ai mes trophées. Et comme je l'ai toujours dit, mes trophées, c'est pas pour moi, c'est pour le Niger. Aujourd'hui, je préfère voir des Four Ministère. Quand je rentre dans le bureau du, ministre, je vois les trophées de football, machin et tout accrochés. Aujourd'hui, ça me ferait plaisir que mes trophées soient accrochés là-bas. Moi, je n'ai pas dû de me donner un franc. Mais aujourd'hui, que mes trophées soient représentés valablement au niveau du ministère, ça me ferait énormément plaisir. Deux fois champion d'Afrique. On espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du Nous allons encore entreprendre des démarches pour que ton message soit entendu. Merci. Amis de la FADA, de retour dans l'émission Tous à la FADA avec notre sujet du jour, les langues, nouvelles exigences pour accéder au monde de l'emploi. Nous sommes à ADU, African Development University, et on en parle avec nos invités, pour la plupart des étudiants de ADU, et on va continuer avec nos questions. Donc, euh, Khadija, je vais commencer avec toi. À ton avis, quels sont les secteurs qui exigent la maîtrise de plusieurs langues euh, Je dirais globalement tous les secteurs. Quand il s'agit du tourisme, du commerce, de l'entrepreneuriat. Tout. Maintenant, tout, exige, tout exige une, maîtrise de au moins deux langues. Et, vous étudiez quel, domaine déjà Le project management. D'accord. Et dans votre domaine, quelle est l'importance de maîtriser plusieurs langues Quand tu es appelé à être un manager, donc tu, tu fais partie de, du headboard de l'entreprise, de la, de la direction, ok, mhm. si je peux le dire. Les gens Comment on dit le, high level <laughs> de l'entreprise. Donc, tu, es celui qui est parfois appelé à décider pour l'entreprise. Et quand tu as devant toi quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qui parle le français, hum, mhm. ça peut être quelqu'un qui parle l'arabe. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut être quelqu'un qui parle l'arabe, le mandarin, l'anglais pour la plupart. Euh, actuellement, ce que je peux prendre qui est basique, c'est les ambassades. Et la plupart des ambassades ici, on peut dire ceux qu'on accueille dans notre contexte, même si ce sont des pays, ils viennent de pays asiatiques ou bien un autre pays, ils parlent la plupart de l'anglais. Donc, au moins que tu aies la maîtrise de l'anglais, c'est un truc euh, qui sera très facile, très, qui va faciliter ton travail déjà, et que à part toi, que tu aies d'autres personnes qui peuvent le faire dans ton équipe aussi, c'est un atout. Donc, euh, Al Mustafa, je me retourne encore vers vous. Et Khadija vient de parler de l'importance de l'anglais dans, dans, son domaine. Est-ce que vous, à votre avis, les outils de traduction en ligne, par exemple le Google Translator, est-ce que, est que ça suffit pour dire qu'on maîtrise une langue Je dirais que c'est une aide cruciale pour quelqu'un qui est vraiment dans le besoin de communiquer avec un partenaire, mais quand on apprend une langue, c'est pas juste la langue qu'on apprend. On apprend aussi la culture de la personne là. voyez un peu. Donc, le fait de traduire, ça, ça va juste t'aider pour un moment. Mais quand tu apprends une langue, quand tu t'imprègnes de la culture de la personne avec qui tu échanges, ça va créer plus un lien qui sera plus fort et qui va faciliter vos échanges entre vous. Il se, sentira plus respecté et valorisé aussi. Les, outils de, de traduction tels que DeepL en ligne et autres ça va juste aider dans le cadre de votre travail. Ou bien, par exemple, si vous, si vous allez dans une ville et que vous ne savez vraiment pas quoi dire pour vous référer à un lieu ou bien là où vous, allez, ça va vous aider à traduire ce que vous voulez dire et tout. Mais hors, ce cadre, hors ces deux cadres-là, hum, il serait vraiment nécessaire d'apprendre plus la langue que de juste traduire quand on aura besoin. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et vous, Salamata, à votre avis, est-ce que ces outils-là suffisent Bon, selon moi, ça ne suffit pas, mais c'est très utile si, par exemple, tu veux écrire quelque chose, um, les applications comme Google Translate, parce que moi, personnellement, c'est avec ça que j'ai appris à parler français. <laughs> parce qu'avant, j'ai traduit tous les messages, mais maintenant, je peux écrire moi-même. Donc, au fur et à mesure, ça peut t'aider, mais oui, c'est pas vraiment suffisant. <laughs> Bonjour, moi c'est Laetitia Bolli, je suis en première année de Project Management à EDU. Okay, Laetitia. Et vous, à votre avis, est-ce que les outils de traduction suffisent non, c'est pas suffisant. Parce que si tu communiques avec une personne par message, tu peux traduire. Mais si cette personne se trouve devant toi, c'est pas évident que tu puisses traduire chaque mot que la personne dit pour essayer de lui répondre. Ça va te prendre assez de temps, puis tu vas pas pouvoir tout traduire et comprendre ce que la personne te dit. Exactement. Donc c'est mieux. Et vous, vous étudiez quel domaine, Laetitia Management. Management. Quel plus vous pouvez apporter à une entreprise en maîtrisant plusieurs langues Pour un manager qui, qui, connaît plusieurs langues, c'est vraiment un atout pour l'entreprise parce que ça va te permettre d'aller déjà dans plusieurs pays pour essayer de tisser des partenariats pour ton entreprise. Par exemple, si tu comprends l'espagnol, ça peut te permettre d'aller à Madrid. Tu pourras avoir facilement accès aux différentes entreprises de là-bas pour pouvoir avoir des partenariats pour ton entreprise. Si tu comprends l'anglais, tu peux aller, je dis n'importe quoi. Travailler avec Bill Gates, par exemple. <laughs> Pourquoi pas <laughs> Alors, Soraya, est-ce que parler plusieurs langues rend un employé plus compétent euh, Je ne dirais pas plus intelligent, mais plus compétent, oui. Comme Kadidia l'a dit, euh, à la fin de l'université, je pense que tout le monde a quand même des, des, notions basiques. Donc, la seule chose qui peut vraiment te différencier de quelqu'un, c'est ces aptitudes-là qu'il n'a pas, en l'occurrence euh, les langues. Donc, je pense que parler une autre langue rend forcément plus compétent qu'un salarié basique qui parle sa langue, par exemple, nationale. Alors, est-ce que parler plusieurs langues rend un employé euh, plus compétent Bon, moi je dirais pas forcément, mais je dirais que ça rend plus créatif. Parce que lorsqu'on lorsqu'on parle plusieurs langues, on arrive à, à s'adapter à des, des environnements différents et on connaît leur culture, on connaît comment ils travaillent. Donc, euh, la manière dont je travaille, c'est pas forcément de la manière dont une autre personne travaille. Donc, euh, j'ai ce, ce plus-là que peut-être eux, ils n'ont pas. Donc moi, je dirais que ça, ça donne plus de créativité. Mais ça n'influe pas sur la compétence en tant que telle. Alors, sur notre émission aujourd'hui, nous avons aussi Seydou Souley Mamadou, directeur général de Impact Comédia. Alors, sans tarder, Seydou, cette question est, elle est pour vous. Quels sont les avantages de maîtriser plusieurs langues Donc, dans les affaires, c'est très important. Qui dit dans les affaires, ce n'est pas seulement pour l'entrepreneur qui va aller négocier, mais c'est aussi pour le cadre, pour le manager qui va être en interaction avec d'autres cadres, avec d'autres partenaires, avec d'autres collaborateurs qui, dans une large mesure, quelle que soit la langue dont ils parlent, et euh, qui est la leur, pour échanger, le standard international utilise l'anglais. Vous avez des partenaires, euh, je prends euh, pakistanais, indonésiens, je ne sais pas moi, des, partenaires, même russes. Si vous vous retrouvez pour faire des affaires, chacun ne parlera pas dans sa langue et chercher un traducteur le véhicule commun va être l'anglais. Donc, de ce point de vue, effectivement, maîtriser plusieurs langues est une très bonne chose de manière officielle, mais même de manière officieuse. Euh, quand quelqu'un, vous parlez la langue de quelqu'un, ça crée plus facilement le contact. Vous partez de n'importe quel pays où vous voulez faire des affaires, si vous parlez la langue du pays, c'est un atout. Vous voyez par exemple un Nigérien qui va aller en Chine pour exporter ou euh, pour euh, importer, s'il parle ne sert ce que quelques mots en chinois, il s'en sortira mieux que celui qui ne parle pas une langue. D'accord Et nous voyons aussi, même chez nous, quand des étrangers viennent, le fait qu'ils sachent s'exprimer dans nos langues leur ouvre beaucoup d'opportunités. Donc c'est aussi euh, une logique humaine qui fait que euh, avoir le même véhicule pour communiquer facilite la compréhension, facilite l'adhésion, facilite la création d'opportunités. Il y a certains types de carrières qu'on ne peut pas faire si on ne maîtrise pas l'anglais. Par exemple, beaucoup d'organisations internationales recrutent des, personnes capables de travailler en anglais. C'est-à-dire quoi Travailler en anglais, réfléchir en anglais, euh, écrire en anglais, communiquer verbalement en anglais. Donc ça, c'est euh, une logique aujourd'hui qui est omniprésente dans certaines sphères. Bon, le... Donc l'anglais, très clairement, ou bien maîtriser plusieurs langues, euh, même si je mets l'accent sur l'anglais, si vous maîtrisez l'espagnol, si vous maîtrisez l'arabe, si vous maîtrisez le, mandarin, si vous maîtrisez l'espagnol, tout ça, euh, ça va faire de vous un meilleur professionnel. Ça va faire de vous euh, et de nous tous celui qui maîtrise, qui a cette possibilité. Ça va maximiser ses chances de succès dans la vie des affaires et maximiser son potentiel de réussite parce que tout simplement, il peut avoir plus d'opportunités que ceux qui ne maîtrisent qu'une seule langue. Mais alors, c'est en, en prenant exemple sur le cas de votre entreprise, est-ce qu'il y a des privilèges dont bénéficie l'employé qui, maîtrise d'autres langues étrangères, par exemple euh, Aujourd'hui, parler plusieurs langues est une compétence à part entière d'abord. Il faut admettre ça. C'est une compétence à part entière, surtout si on est sur certains marchés qui sont liés aux nouveaux métiers. Par exemple, aujourd'hui, nous, nous sommes dans la communication. Un bon professionnel de la communication n'est pas censé être quelqu'un qui ne maîtrise qu'une seule langue. Même si vous êtes francophone, si vous ne maîtrisez que le français, pour un communicateur ou pour un communicant, c'est quand même un grand bémol que vous avez. Actuellement, par exemple, un certain nombre de nos clients, l'un des avantages que nous avons par rapport même à nos concurrents, c'est que quand nous partons les rencontrer, nous partons à réunion, nous pouvons communiquer avec eux en anglais ou en arabe. Et ça, c'est un atout parce que même s'il y a d'autres prestataires, comme je vous dis, quelqu'un qui peut vous faire un rapport en anglais va vous éviter le fait d'aller chercher un traducteur quand il vous l'envoie, par exemple, en français. Sachant que vous, votre langue de travail en tant qu'institution internationale, c'est l'anglais. Donc, c'est un atout important. Et effectivement, dans certains cas, par exemple, nous, chez nous, aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise très bien l'anglais pourrait avoir un niveau de salaire peut-être euh, au-delà des 15-10% euh, dont on a parlé. Pour une raison simple, il va, nos meilleurs portefeuilles clients sur le volet communication sont des institutions internationales pour lesquelles avoir une capacité en anglais est un atout important. Et donc, finalement, quelqu'un qui est dans l'entreprise, qui pouvait par exemple faire un billet en anglais ou qui pouvait traduire euh, de manière impeccable des textes du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, naturellement, il a un atout parce que s'il n'existait pas dans l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être sous-traité. Et puisque ça va être sous-traité, c'est nettement plus coûteux. Alors, euh, de et aux chaque chaque avec ses sons, tous les mêmes, un featuring de plusieurs artistes nigériens dont Hakim, Dondi, Elsa, Medzi et bien d'autres. Que tu viens de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou bien du Nord. Et c'est le Niger, ses fils resteront tous les mêmes. Et tu sois à Hausa, Kanuri ou Toubou. Yeah, La cohésion sociale c'est qu'on démerde des frères. On est tous les mêmes, tous les mêmes, tous yeah, yeah. yeah. Tous les mêmes, tous les mêmes, oh, oh. tous les mêmes, oh. tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. je peux le faire. Aimer mon prochain, moi je peux le faire. Se donner la main, c'est trop nécessaire. On veut la paix, nous on veut pas la guerre. On veut pas de tir, on ne devrait pas se causer des torts. Tu sais que ça vous mes venez de cœur, c'est mes pour le meilleur et pour le pire. Je pose ce couple pour rendre hommage à nos voyants soldats. disparu sur le champ de bataille juste pour nous protéger. Boko Haram par-ci, Boko Haram par-là. Amis de la FADA, retour de l'émission Tous à la FADA avec notre sujet du jour, les nouvelles exigences pour accéder au monde de l'emploi. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes à ADU, African Development University, où on en discute avec les étudiants tout autour et sur notre thématique. On va continuer avec nos questions. Est-ce que l'auto-formation est une solution Je dirais que l'auto-formation, c'est de mon point de vue, parce que c'est franchement ce qui m'a aidé. Quand j'étais au lycée, j'étais accro aux musiques, aussi, si je peux le dire. Et j'écoutais plus français, mais à un certain moment, c'était de l'anglais que j'écoutais. Et plus j'écoutais, plus je comprenais pas 100% de ce qu'ils disaient, mais quand même, j'essayais d'apprendre. Et pour moi, c'était juste, ça se limitait à cela en fait. Voir ce qu'ils disent, comprendre les mots et puis chanter, déranger la maison et puis c'était tout simplement ça. Maintenant plus tard, méthode voilà, ça m'avait beaucoup aidé en fait. Il y avait des cours d'anglais qu'on comprenait et quand ces cours avaient commencé, je me suis rendu compte que euh, une partie des mots qui étaient déjà, parce que c'était des enseignants anglophones, ils ne parlaient pas un mot français. Et j'arrivais, je dirais pas aisément, mais facilement à comprendre ce que, ce que, ce que ces enseignants-là ces enseignants disaient. Et bien sûr, les cours m'ont beaucoup aidé à, à, améliorer le gap d'anglais que j'avais. Mais je disais que l'auto-formation que j'ai eu à faire grâce à la musique, ça m'a franchement beaucoup aidé à, à évoluer du point de vue linguistique, surtout la prononciation, prononciation pardon, parce que quand on apprend une langue, c'est pas juste le fait de, parler la langue on doit parler la langue non seulement, on doit comprendre ce que l'autre dit et on doit pouvoir l'écrire et garder le message sans pour autant déformer gravement ce que l'autre a à transmettre de ce message. un mot maîtrisé. Khadija, euh, selon vous, est-ce que l'auto-formation est une solution et sinon, si vous avez euh, des méthodes à partager avec les amis qui nous écoutent. D'accord. Oui, l'auto-formation peut être une solution si ton objectif c'est juste d'apprendre le basique. Mais quand tu veux aller plus loin pour maîtriser l'anglais et arriver à parler avec quelqu'un, je dirais que c'est une méthode qui peut compléter ta formation. Parce qu'il te faut franchement être formé sur beaucoup de choses. Parce que l'anglais, c'est pas que le parler, il y a le parler, il y a l'écoute et il y a l'écrit. Donc l'auto-formation. Si sur l'anglais. Oui, mhm. l'auto-formation, ça va juste améliorer ton écrit, par exemple, ou bien même ton écoute. Mais le parler, tu dois l'exercer avec quelqu'un d'autre. Mhm. Et quand tu apprends, franchement, comment est-ce qu'on apprend certains trucs, comment est-ce qu'on prononce des mots, comment est-ce qu'il y a des sons qui se ressemblent, quand est-ce qu'il faut dire ci, quand est-ce qu'il ne faut pas dire ça. Donc, mais quand tu apprends tout seul, tu comprends. Parfois, ce que tu apprends, c'est pas réellement ce qui se dit dans la réalité. Mm. On doit te mettre des limites. Par exemple, ça, on n'applique pas ça dans ce contexte, c'est beaucoup plus dans l'autre contexte. Pour moi, l'auto-formation, ça va juste accélérer ta forme. Quand une formation que tu prendras quelque part. Moi, par exemple, en première année, quand on était forcé de faire des présentations en anglais, je dois écrire d'abord tout ce que j'allais faire dans ma présentation. Maintenant, le, le dire à regarder le miroir, oui, parce que tu as un chrono devant toi, tu as cinq minutes pour faire ta présentation, parfois beaucoup moins, trois minutes, et tu dois le faire en anglais. Et tu es en train d'apprendre l'anglais. Donc je recopie tout, et je viens devant mon, miroir, je prononce, je lis, Quand je fais des erreurs, je recommence. C'est comme ça que j'ai. C'est vos exercices à vous. Oui. Ou bien parfois regarder une vidéo qui va dans la même thématique et recopier tout ce que la personne est en train de dire. Je recopie d'abord le tout en anglais, ensuite je traduis en français les mots que j'ai pas compris. Ensuite, je regarde la vidéo une dernière fois parce que là, je viens d'apprendre des nouveaux mots. Donc, pour moi, l'auto formation, c'est juste quelque chose qui peut accélérer ta formation. Mais si tu veux franchement apprendre une langue, parce qu'on apprend une langue pour communiquer avec les autres, n'est-ce pas mhm. Donc si tu apprends toi seul la langue, ce sera difficile que tu arrives à communiquer avec les autres. Est-ce que l'exigence de parler plusieurs langues, est-ce qu'elle n'est pas en train d'effacer ailleurs peut-être le métier de traducteur ou de le compromettre Bon, je dirais oui, euh, parce que le monde est en train de, se digitaliser et on a, on a en quelque sorte pas besoin de ces traducteurs pour la traduction. Donc, euh, oui, en quelque sorte, c'est en train de compromettre le métier de ces Personally, I think self learning is a very good thing, but only if you're motivated enough because no one can force you to learn to speak a language. Because there are students at ADU, some of them want to speak English, some of them they just want to learn. But the ones that want to speak English, they do self learning and then they end up speaking better English because they're more, they're more motivated. So they're using like music, books, and like memes, online funny posts to help them learn English. Because I send my friends funny posts in English to help them learn more, and I try to speak to them in English. But that's not self learning, that's peer learning. But self learning, if you use it, it's very effective because it's showing your um it's showing your willingness to like learn a language <laughs> to want to communicate with people and that's very necessary in this modern era Salut, j'espère que, j'espère que nos auditeurs comprennent. <laughs> que déjà, à ton avis, est-ce que ces genres d'exigences ne sont pas à eux peut-être en train de compromettre ou d'effacer le, métier de traducteur Au contraire, c'est maintenant même qu'on est en train d'avoir euh, beaucoup plus d'interprètes. C'est vrai, avoir des gens qui parlent plusieurs langues, euh, ça peut un peu toucher le métier, mais c'est pas tout le monde aussi qui a le temps d'apprendre plusieurs langues. Donc forcément, quelque part, il, y aura le besoin d'un interprète. Et par exemple, si on prend les applications qui traduisent euh, les langues, Google, Google Translate ou bien DeepL, même quand tu écris, ça te donne pas forcément textuellement le vrai texte en anglais. Tu dois parfois relire et réarranger. Donc si tu te fies directement à ça, un anglophone saura que tu as utilisé une application de traduction. Donc il te faut aussi avoir cette maîtrise euh, pour arranger ou bien pour conformer le sens du texte que tu veux. Et toujours, il y aura, on aura besoin d'un interprète dans les conférences, dans les grandes conférences. Même s'il y a les appareils, c'est parce que quelque part derrière, il y a quelqu'un qui est en train de traduire tout ce, tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc demain, il y aura des gens qui viennent de différents horizons pour un intérêt commun, il doit avoir quelqu'un qui doit forcément traduire parce que n'est pas tout le monde qui a le temps d'apprendre les langues. Exactement on parle déjà de la thématique d'apprendre plusieurs langues, n'est-ce pas Donc du coup, euh, juste faire le métier de traducteur, je pense que de nos jours, en 2022, ce ne sera pas suffisant. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Et ce n'est pas toute entreprise qui va recruter une seule personne, une personne pour chaque tâche spécifique. Donc, tu peux être traducteur, mais en contrepartie, maîtrise d'autres métiers aussi. Mais le simple fait d'être traducteur ne va pas suffire pour dire que tu seras compétitif dans le marché de, du travail, voilà, de l'emploi. Alors, euh, avant de conclure notre émission, nous allons accueillir Oli Choco avec sa chronique du jour. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de football. D'abord, je vous souhaite un bon début de mois d'avril et un bon début de Ramadan. Comme je le disais tantôt, parlons de foot dans cette chronique. Oui, notre jeunesse a une folle passion du football. Ce sport roi qui déchaîne les passions ici et ailleurs a connu encore une fois une étape importante, celle des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cinq pays africains ont donc eu leur ticket pour cette compétition. Eh bien, ces pays n'ont pas du tout eu un parcours facile. Un état de fait qui montre que le niveau du football africain évolue du jour au jour. Le Sénégal, par exemple, a dû s'amener au tir au but avec son rival, l'Égypte des Pharaons. Mais encore une fois, les lions de la Teranga ont dompté les Pharaons. Quant au Camerounais, il a fallu qu'il y croit jusqu'à la fin face à une équipe algérienne déterminée et forte, les liens indomptables du Cameroun ont dû passer par la case remontada pour s'assurer une place au Qatar. En tout cas, à cette édition de la Coupe du Monde, le continent africain peut s'assurer d'avoir des représentants dignes à la compétition. C'est avec beaucoup d'optimisme que les internautes abordent les préparatifs des matchs de poule de la Coupe du Monde Qatar 2022 qu'ils soient nigériens ou africains. Les internautes restent soudés derrière les ambassadeurs africains et on garde espoir que cette Coupe du Monde 2022 sera une coupe des grands exploits africains. Pour cette mondiale, mon pays de cœur reste le Ghana comme ce fut le cas à la Cannes, même s'ils ont manqué le réalisme lors de cette compétition. Et toi, tu peux me dire c'est quoi ton équipe euh, favorite D'ici là, portez-vous bien, paix, lumière, amour sur vous, one love, bye bye. Et amour et l'humeur sur toi aussi, Oli. Les amis de la FADA, c'est terminé pour aujourd'hui. Kamar yadda kuka ji a cikin tamu, yana ah, da amfani sosai mutum ya koyi fiye da harshe ɗaya domin samun aikin yi a halin yanzu. A yau fadar tamu mun yi ta ne tare da les étudiants de ADU. Sai kuma gobe da Allah ya kai mu za mu dawo da wani sabon shirin kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu.